Nous sommes huit villages à avoir quitté. Les autres aussi prévoient de quitter. C'est à cause du manque d'aide que nous avons quitté. Et c'est là depuis l'année passée, quand il y a eu les attaques du Mali. Nous avons appris que c'était avec des motos qu'ils ont attaqué. Ensuite, c'était le tour de Ziban, Gadabo et Kotigi, où ils ont tué tous ceux qui étaient sortis. S'ils le peuvent, nos provisions que nous avons laissées là-bas, qu'ils trouvent les moyens de nous les faire parvenir. La mort est inévitable, mais c'est les conditions de cette mort qui sont inquiétantes. Tuer une personne de force, c'est cela que nous, que nous fuyons.